je dis moi simplement euh, jërëjëfe j'ai fait Mbakke euh, yàlla na fi a lool te andeguer, parce que quand on voit ni mu ko defee ak parce que tout a commencé à partir de Masalikul Djinan, fille, Dakar gii ne donc euh, c'est magnifique de voir cette image-là. Aujourd'hui, réconciliation Bobo, Mankoyar Berki Dembrek, euh, tant qu'il y aura un homme pour chanter, il nous sera espéré, il nous sera permis d'espérer un jour la paix. Diam Farafet. Quand je vois que Berki Dembe, mon président Macky Sall, a au palais l'ancien président de la république ah, maître de Wade la rafet loolu Sénégal Lolo, la ñu xam aussi Lolo la ñuy loolu la ñuy ñëpp ñëpp dañ ci rafet ko parce que lu ñaaw yalla bëggul lu ñaaw Dieu aime le beau. donc nañuy wax lu rafet parce qu'on n'est pas obligé d'appartenir au même parti politique que xam nga yoyu ak waaw mais on est on n'est pas obligé non plus de, de, ne pas dire quand c'est beau. On est obligé de dire quand c'est beau, de le dire. C'est important de souligner ça. Donc, moi, quand rafetlu di wax ne Sénégal Afrique le Sénégal, di geste saluer vraiment la bonté et la vision du président Macky Sall de content lol lol lol lol geste et j'espère que l'Olu dina atténuer les cœurs dina atténuer beaucoup beaucoup de choses pour simplement l'évolution pour simplement le bien-être des Sénégalais et des Sénégalaises parce que nous, l'Olu, moo ëpp importance ci ñun xam nga juboo boobu yëpp wax dëgg yàlla c'est magnifique mais bu ce ne day jariñ askan wi te yaakaar à ni dana yok askanu Sénégal lu bare bare bare bare djubo boobu